Donc, euh, le studio Kalangu reçoit ce matin son Excellence euh, Madame l'ambassadrice du Royaume-Uni, Grande-Bretagne. Euh, merci de nous <laughs> avoir honoré de votre présence ici ce matin. Donc voilà, vous allez vous présenter à nos auditeurs et puis voilà, nous dire quelle est la raison de la présence de la Grande-Bretagne ici au Niger. Pourquoi maintenant alors, merci beaucoup, Rahila, et merci de l'invitation de, la part de Studio Kalangu de, rencontrer avec vous et avec vos, euh, votre audience, <laughs> vos auditeurs. Euh, alors, euh, en effet, je suis arrivée au Niger afin d'ouvrir une nouvelle ambassade de la Grande-Bretagne ici au Niger. je suis la première ambassadrice, ambassadeur résident, résidente de la Grande-Bretagne au Niger. Et la raison pour laquelle nous avons décidé d'ouvrir une ambassade, euh, d'abord, c'est parce que nous avons déjà un programme de développement euh, euh, de, l'assistance assez extensive, assez importante, que nous avons géré de loin. Alors nous avons remarqué que ce serait bien d'avoir une présence ici, plus immédiate afin de, gérer mieux les programmes que nous avons déjà, euh, de leur donner, chercher de leur donner plus d'impact, plus de cohérence, afin de, mieux assister le Niger euh, et afin de euh, chercher de mieux réaliser le côté développement du Niger. Euh, deuxièmement, évidemment, il y a la, question de la, situation sécuritaire au Sahel. Euh, et bien sûr, c'est aussi afin d'adresser les, les causes de l'insécurité que nous avons, que nous, nous ouvrons cette ambassade au Niger, mais aussi euh, au Tchad, aussi en, Mauritanie. Nous avons déjà une ambassade à, Mali. Mhm. Euh, euh, et, bon, voilà, nous, aurons une couverture plus euh, plus complète, plus compréhensive du Sahel. D'accord. Vous avez parlé de projets de développement. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques-uns de, ces projets mhm. d'intervention Alors, d'abord, notre priorité, c'est le côté humanitaire. mais en dehors de, de, de cela, euh, nous avons aussi euh, des programmes qui euh, prioritisent la, reproduction, euh, la santé de la, reproduction, en travaillant surtout avec les femmes. nous nous avons des programmes assez importants aussi qui soutiennent l'éducation. l'éducation pour tout le monde, mais surtout des filles. Euh, pour nous, c'est très important de, voir les, filles euh, qui complètent euh, l'enseignement secondaire, pas seulement primaire. Toutes, toutes, les recherches, toutes les études font voir que si on favorise les. si, on, si on de. si les filles finissent euh, l'école secondaire ou bien en plus d'enseignement. Alors cela euh, assiste beaucoup au développement de, des pays du, côté économique. Euh, alors c'est pour ça, cela que nous avons favorisé surtout les femmes et les filles. Mais nous travaillons aussi sur la, la stabilisation euh, on travaille bon, d'abord avec Studio Kalangu, <laughs> euh, euh, dans, certaines zones du, Niger. nous avons aussi des programmes qui focalisent sur, la, promotion de la langue anglaise. Euh, enfin, ce n'est pas tellement la promotion, mais plutôt l'assistance aux clubs universitaires, euh, aux clubs aux écoles, clubs d'anglais. Pour approfondir un la langue. Exactement, pour euh, améliorer l'apprentissage de l'anglais. Et puis, je, vous parlerai aussi de, cette bourse d'études que nous offrons pour le Niger. Mhm. bon, celui-ci, c'est en anglais. <laughs> D'accord. parce que c'est pour étudier dans les universités de la Grande-Bretagne. C'est uniquement pour ceux qui euh, pour euh, étudier au niveau de, master. Euh, et c'est pour ceux qui, sont déjà, qui ont déjà au moins deux années d'expérience professionnelle. Alors, ce n'est pas pour les étudiants qui ont fait le bachelier, c'est pour ceux qui ont déjà une expérience, qui se sont déjà lancés sur la, la, la profession. Euh, et qui parlent déjà l'anglais. Nous savons que ça, c'est un, euh, un acquis très important. C'est aussi difficile, mais si on ne parle pas suffisamment l'anglais, alors on ne sera pas euh, à, la de, à la hauteur d'étudier bien. Alors, cette année, nous avons deux, deux boursiers nigériens qui vont en Grande-Bretagne nous avons lancé la, période pour, postuler, mhm. euh, qui, a commencé le 3 août et qui finira le, euh, pardon, le 3 septembre, qui finira le 3 novembre de cette année. Alors, euh, toutes les informations sont sur notre page Facebook mm -hmm. de en Niger. Et puis, euh, mais vous pourriez aussi euh, euh, trouver plus d'informations sur le, site web euh, D'accord. Est-ce que cette bourse d'études, elle date de depuis longtemps ou bien c'est une nouvelle bourse Non, c'est bon. Au Niger, c'est nouvelle, mhm. mais en fait, c'est un programme de, bourse qui, qui, date depuis les années 70 une histoire très très c'est très très renommée. Euh, partout dans le monde, on a euh, chaque année on a des euh, je, crois que c'est 4000 boursiers dans le monde. Dans le monde. et alors ça veut dire que si on est accepté, on devient on, fait partie d'un grand réseau de, de boursiers donc si jamais on arrive à, je ne sais pas, euh, à Venezuela, <laughs> on va trouver des contacts, des boursiers. Alors ça, vous donne un, réseau mondial. C'est tout payé. Euh, c'est complètement financé. toutes les frais de voyage, les frais de visa, les frais, les, livres, toutes les matériels. C'est combien de mois d'études C'est euh, une année académique, une année scolaire. Ok. Euh, ok. Et euh, est-ce que pour les journalistes aussi, ou bien ils sont inclus dans, oui. <laughs> dans cette bourse Oui. On a, on a laissé assez large les, les, les, sujets, les thèmes qu'on peut poursuivre, mhm. parce que nous n'avons que deux bourse d'études cette année. Euh, c'est tout nouveau. Mhm. Alors, euh, c'est pour tout le monde, tous les Nigériens, mais deux années d'expérience professionnelle, il faut un niveau suffisant de, de, langue anglaise. Et puis, il faut être euh, déterminé de, retourner, mhm. de changer quelque chose au Niger, parce que nous l'offrons pour le Niger. Alors il faut retourner et il faut être déterminé de faire voir votre leadership dans votre euh, domaine. Pour revenir euh, un peu en arrière, pour parler de l'aspect humanitaire, oui. Euh, vous avez dû constater la situation dans laquelle vivent beaucoup de, beaucoup de familles notamment dans la commune 4 et 5 de Niamey, qui ont été victimes d'inondations. Plusieurs familles sinistrées sans logement. Je ne sais pas, dans ce cadre, qu'est-ce que vous proposez en euh, soutien à ces personnes Est-ce que vous avez un programme spécial pour ces personnes en, fin du compte, euh, nos programmes sont, euh, sont déjà visés vers certaines des communautés qui sont plutôt dans la zone de, de Maradi, qui est Maradi Zindar, sont les, régions les plus affectées. Euh, alors, les partenaires avec qui nous, travaillons, nous les avons euh, euh dit qu'ils peuvent euh, flexer. Leur, ils peuvent demander, s'ils croient que c'est vraiment la priorité, alors on a un peu de flexibilité. Alors, on est en train de considérer comment on peut adresser la situation avec les partenaires. D'accord. Merci beaucoup, Son Excellence. Merci euh, de nous avoir accordé du temps ce matin au studio Kalangou. Merci J'espère que bientôt on aura d'autres occasions pour euh, échanger sur euh, des thématiques. D'accord, très bien. Merci, beaucoup. à vous. Merci. Merci à vous. Merci.